Madame, Monsieur, bonsoir. Euh, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire euh, de studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé euh, l'actualité s'articulent autour du premier déplacement à Bamako et à Ouagadougou du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, le jeudi 23 novembre. Ensuite, nous parlerons de l'abrogation de la loi 2015-036 relative au trafic illicite des migrants. L'actualité, c'est aussi la mise en service de la centrale photovoltaïque de 30 MW de Gorubanda. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Et Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 1er décembre par le premier déplacement du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, à l'étranger, notamment à Bamako et à Ouagadougou. Le chef de l'État, Abdraman Chani, a effectué le jeudi 23 novembre sa toute première visite officielle à Bamako et à Ouagadougou depuis sa prise de pouvoir le 26 juillet dernier. Dans les deux capitales, le chef de l'État a eu des entretiens avec ses homologues, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, notamment sur le renforcement de la coopération entre les trois pays du Liptako Gourma. Il a été euh, discuté euh, du cadre euh, des ambitions que s'est assignée l'Alliance des États du Sahel AES qu'ils ont créé en septembre dernier pour prendre en charge ensemble les défis communs, en particulier les menaces sécuritaires, le développement socio-économique et politique dans un contexte de transition pour les trois pays. On va commencer avec vous, Maimouna Diado. Que peut-on retenir au sujet de ce tout premier? premier déplacement euh, du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, à Bamako et à Ouagadougou. Euh, euh merci. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il faut féliciter ce déplacement du chef de l'État. Euh, au Mali et au Burkina Faso. Donc c'est tout à fait normal puisque ce sont dès les premières heures où le Niger était rentré dans la situation euh, de cette prise de pouvoir euh, par les militaires et avec les sanctions de la CDAO, le Mali comme le Burkina Faso faisait partie des tout premiers pays qui ont tendu la main au peuple nigérien. Donc il fallait faire le déplacement pour aller remercier ces deux pays voisins euh, de vive voix. Et ensuite, euh, comme tu l'as si bien dit, il y a en tout cas cette insécurité dont les trois pays sont en train de lutter, d'où la création de l'Alliance des États du Sahel. Et parler de l'insécurité, parler donc des transactions euh, économiques entre les trois pays parler également euh, de, diplomatie. parler euh, de, de, cette situation de sanction de la CDAO et de l'UMOA également voir comment est-ce que, quelles sont les formes de stratégie euh, de lutte contre euh, le terrorisme à mettre en place pour pouvoir lutter contre le terrorisme dans nos pays et au Sahel. Donc, je pense que c'était l'objectif, l'objectif donc de cette visite euh, du chef de l'État et qui a été tout de même bien accueilli hein, favorablement par les peuples, aussi bien par le peuple nigérien que les peuples burkinabés et le peuple malien. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à un renforcement euh, de, des, liens de coopération entre ces trois pays et qui vont certainement aboutir à d'autres à une autre vision, vision pourquoi pas de ces trois pays-là, aller comme on, est en train de l'entendre, hein, créer leur propre monnaie, pourquoi pas. Entendre ou espérer euh, Bon, espérer, puisque en fait jusqu'à présent il n'y a pas quelque chose de concret, mais nous espérons que ça peut aboutir à beaucoup de choses et que euh, c'est, on a toujours dit, hein, les frontières, on n'y a pas de frontières qui existent entre les peuples africains, c'est juste que c'est le colon qui en a décidé et je pense que là, il faut qu'on se soutienne et les, trois peuples, en tout cas, sont prêts à se soutenir, vaille que vaille, à aider ces chefs euh, d'État. Et quand vous regardez, c'est vrai, on a eu des, chefs d'État quand même qui étaient des présidents hein, qui étaient restés dans ces trois pays qui ont renforcé les liens de relations, qui ont osé en tout cas et renforcer et oser le oui, jalon du développement, de, développement ces de, ces pays. là Quand je, peux citer, par exemple, au Burkina Faso, nous avons vu ce que Thomas Sankara euh, avait fait en un laps de temps, en tout cas pour ce pays-là. Nous avons vu également ici au Niger ce que Kounché a pu faire. Et nous avons vu également au niveau donc, euh, du Mali aussi le président euh, ATT, ce qu'il a pu en tout cas développer. Et donc je pense que c'est des exemples à prendre. Ils sont tous des militaires. Ils sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Ils doivent se soutenir. Ils doivent en tout cas échanger entre eux. Ils doivent se conseiller entre eux pour le bien-être des peuples euh, du Sahel. Merci beaucoup, Mme Diado. Abba à Bamako comme à Ouagadougou, le président du CNSP a eu des entretiens, notamment sur la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans les trois pays sahéliens voisins, ainsi que les perspectives de renforcer leur coopération, comme Memouna a eu à le dire, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES. Pourquoi ces deux pays, selon vous c'est aussi simple que ça. D'abord. Hein. Ouais, c'est aussi simple que ça. D'abord, euh, comme le disent les anciens, le pied ne, veut pas, ne va pas là où le cœur ne veut pas. Ah. Donc c'est euh, c'est un proverbe nigérien, nigérien euh, africain, dit, africain, <laughs> nigérien vraiment ça se dit. Et donc le déplacement d'un président, le premier déplacement, le premier déplacement c'est symbolique. Euh, généralement, on rend visite à son plus grand voisin euh, avec lequel on a des relations vraiment euh, exemplaires. parce que les chefs d'État nigériens, généralement, ils vont au, au Nigeria à côté. Il y en a qui vont vers l'Algérie, mais c'est surtout le Nigeria. certains vont en Côte d'Ivoire. Et c'est symbolique, ça, ça, veut dire quelle positionnement dans l'échiquier international, des relations internationales, euh, prend euh, ce dirigeant-là. Et donc qu'il aille dans les deux autres pays de l'AES, euh, ça veut tout dire. Oui, est-ce que c'est parce que ces deux pays, le Burkina Faso et le Mali, ont soutenu dès les premières heures des sanctions partage une partie, d'abord, c'est des relations séculaires, on en a parlé, on a débattu ici c'est le même peuple de part et d'autre des frontières. Ça, on a dit. On partage le Liptako euh, euh, ensemble, à trois. La zone de trois frontières, on les partage à trois. Mais aussi, euh, l'actualité aujourd'hui nous lie. Ces trois pays, Mais Mouna l'a dit, n'est-ce pas, sont liés au moins par le fait qu'il il y a eu des coups d'État dans, dans les trois pays. Nous sommes isolés par les restants des pays de, de la sous-région ouest-africaine, de la CDAO notamment. Malgré tout, ça ne suffit pas. Le président Chani n'est pas allé, par exemple, en Guinée. C'est aussi un pays Mais il y a une délégation du CNSP oui, qui, mais qui a séjourné. Oh, non, mais autrement dit, les relations qui existent, il faut, il faut être sincère et tout, les, relations qui existent entre le Mali et le Niger d'une part, le Mali, le Niger et le Burkina de l'autre, ce n'est pas la même chose euh, avec Conakry qui est quand même euh, un peu euh, plus loin. Donc, donc les Nigériens attendent aussi qu'ils effectuent une visite à Conakry Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense que les choses vont changer positivement et que euh, le président Chani, pour des raisons maintenant pas symboliques, mais d'autres raisons, effectue des déplacements ou dans les mêmes pays ou dans d'autres pays de la sous-région. On partage en ce moment-là beaucoup de choses en commun. On a failli aller à la guerre ensemble dans le même camp avec ces trois pays, ces pays. Autrement dit, des personnes prêtes à mourir pour les uns pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et euh, c'est normal que, en termes de première visite, qu'on effectue des déplacements vers eux. Mais aussi, il y a des choses, on peut se le dire au téléphone, n'est-ce pas Même une alliance, ça peut se faire au téléphone, ça peut faire, se faire par ministre interposé, mais l'acte qui vaut en Afrique, c'est le le déplacement. On ne va pas chez n'importe qui et on n'accueille pas n'importe qui non plus. Donc aller chez un président en ce moment précis, c'est dire que nous, nous sommes avec quoi qu'il advienne avec ces deux pays-là, c'est ce que ça veut dire. On se rappelle, hein, en son temps, le président Barré, il avait cassé euh, l'embargo international pour aller, en Libye, Cuba. Il est allé en Cuba. Donc, ce n'est peut-être pas un révolutionnaire en tant que tel, mais le positionnement du Niger pendant ce moment-là dans les pays du Sud, n'est-ce pas, dans les pays qui sont vraiment euh, volontairement isolés par les relations internationales, c'était aussi symbolique que ça. Je crois que l'histoire retiendra que le président Chani, même si c'est une seule fois qu'il effectue le déplacement, qu'il a commencé d'abord par le Mali, puis le Burkina, c'est vraiment très significatif. C'est des pays frères, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est vraiment pas que des voisins, c'est des pays euh, des pays frères. Ça aurait pu être d'autres, hein. euh, le Bénin à côté, ça aurait pu être le Nigeria, mais euh, le comportement, l'accueil qui a été réservé à l'arrivée du président Tchani à la tête de l'exécutif, enfin du, de, de, de, de, l'État du Niger, ça ne peut pas lui permettre, il ne peut pas se permettre d'aller là-bas avant d'aller ailleurs. Donc avant même que quoi que ce soit ne se crée, cap sur Bamako, puis cap, et ça veut dire qu'on est, comme le disent les jeunes, hein, on est ensemble. C'est ce que ça veut dire. Vraiment, et c'est sur tous les plans. Euh, je vois beaucoup de choses qui se dessinent à l'horizon, et sincèrement, je pense qu'ils font peur. Beaucoup, beaucoup de choses comme quoi. Ils font, ils peur. Euh, je mais on a eu à évoquer euh, la monnaie. j'évoque la monnaie unique. Mais aussi, j'ai vu, euh, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai vu un passeport AES aussi que les jeunes certainement ont bien voulu mettre en forme parce que c'est ce qui leur tient à ah, cœur. parce que c'est important. L'intégration entre l'intégration c'est-à-dire vraiment au-delà de la monnaie, au-delà vraiment de l'ouverture simple de frontières, mais aussi avoir la même pièce d'identité. D'identité, ça fait beaucoup de choses. L'Afrique, l'Union africaine a essayé, mais l'Union africaine n'est jamais parvenue à mettre en place le passeport commun. S'ils arrivent à le faire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais j'espère, j'espère que tous les pays de la CDAO, n'est-ce pas, vont euh, revenir à des, à des meilleurs sentiments, mettre de l'eau dans leur lait n'est-ce pas Même si ça ça rend, le lait un peu plus léger, mais quand même, je préfère parler comme ça. Et donc, pour que la monnaie commune n'est-ce pas, soit pour toute l'UMOA, C'est de cela qu'il s'agit. Et même d'autres pays qui n'y sont pas. La Guinée dont on vient de parler, le Nigeria, qui est un géant, la Mauritanie, avec son Ougia, ils peuvent, je crois, intégrer une monnaie commune. Mais dans tous les cas, cette affaire de trois coups d'État dans la zone ouest africaine en ce moment, je crois que ça donne un coup de pouce à l'histoire de la zone. Et c'est un une page qui se tourne et on espère vraiment de la meilleure des manières. Merci beaucoup Abachari Arimi, Ousseini Sajibo. Le premier déplacement du général de brigade Abdraman Chani a été également l'occasion pour les responsables de ces trois pays de réaffirmer leur engagement pour la sécurité et la prospérité euh, du Sahel. Les trois pays sont confrontés actuellement aux mêmes défis politiques, sécuritaires et socio-économiques. Quelle est votre opinion au sujet de tous ces défis Avant de parler des défis, je vais commencer d'abord par préciser. Allez-y, allez-y. Ces trois pays ont un dominateur commun. Ils sont devenus les bêtes à abattre pour la communauté internationale parce que tout simplement, ils ont décidé de prendre leur destin en main à travers des coups d'État. Et depuis lors, ça a commencé d'abord avec le Mali. Ensuite, il y a eu le Burkina Faso. C'est arrivé au Niger. La situation du Niger a amplifié un peu, comment vais-je dire, hein, l'ériger. C'est-à-dire qu'on a découvert clairement que cette relation internationale ou ces relations internationales, ce n'est visé qu'un but, nous maintenir dans une situation de dépendance permanente vis à -vis de l'Occident. On a vu, ça a permis de clarifier les choses il fallait que le coup d'État arrive au Niger pour qu'on comprenne, parce que nous, à l'époque, on était contre le Mali et le Burkina, les autorités qui ont été évincées. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'était pour insulter les colonels à, Bamako, c'était pour insulter les militaires. Alors, on a vu ça changer. Et c'est normal que Tchani, en tout cas les militaires, parce que le soutien, Abba l'a dit, et Rémi l'a dit, et Memouna l'a dit, le premier soutien qu'on a eu, c'était quand même ces deux pays-là. Aujourd'hui, si nous continuons à, le pays continue à être ravitaillé, c'est grâce à l'axe du Burkina. Le Bénin a fermé sa frontière. C'est par l'axe Burkina que les marchandises que nous mangeons, que nous consommons, ces marchandises-là Alors, quoi de plus naturel On a bien évidemment, il y a eu la création de l'AES parce qu'il faut formaliser. On ne peut pas faire les choses dans l'informel. À partir du moment où la communauté internationale nous rejette, qu'est-ce qu'il nous faut faire il nous faut trouver des solutions. C'est quoi la solution Nous mettre ensemble pour nous battre. Nous mettre ensemble pour nous battre en rejetant la CDAO, en rejetant l'UMOA, parce que les actes qu'ils ont posés, c'est des actes d'abord qui sont illégaux, illégaux plutôt, parce que les sanctions sont illégales, il n'y a rien qui prévoit, y compris contre le Mali, y compris. Ce qui n'est pas prévu dans vos textes, et que vous décidiez de l'appliquer, parce que tout simplement... Euh, euh, certainement, c'est pour faire fléchir euh, les militaires. Non, mais il n'y a pas de raison à ce qu'on fasse fléchir. Est-ce que les militaires ont reçu, quand il y a eu ces coups d'État, aussi bien au Niger, aussi bien au Mali, aussi bien au Burkina, aussi bien au Niger, est-ce que la population s'est soulevée pour dire. Parce que c'est d'abord la population qui doit pouvoir dire aux militaires on n'est pas d'accord. Mais c'était une, je ne sais pas moi, l'euphorie c'est les populations qui ont soutenu ces militaires-là, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière de faire la démocratie dans ces pays, où le gars vient, il vole pour venir au pouvoir. Alors il fallait formaliser à travers l'AES pour prendre en charge à bras le corps la lutte contre l'insécurité. Ça fait dix ans que ça traîne au Mali, on n'arrive pas parce que les Français étaient là. Ici même, nous, mêmes nous l'avons dit, qu'il y a des preuves qui montrent que c'est eux. Et la preuve la plus patente depuis qu'ils sont partis, mais les, attaques continuent. Mais non, mais ça donne quel résultats Ceux qui s'adonnaient à ces attaques et qui faisaient beaucoup de morts dans les rangs civils et militaires. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre du jour au lendemain fin à ces attaques-là, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ils sont acculés. Vous venez vous attaquer, mais vous ne pouvez pas fuir. On va vous massacrer tous. À l'époque, ils venaient, ils tuaient, ils pillaient, ils s'en allaient. Et ils revenaient. Alors aujourd'hui, quand on s'est mis en commun pour dire on va sur les combattre, c'est en train de marcher avec le départ des, des troupes françaises. Depuis qu'un un pays, un pays, l'autonomie d'un pays, tu vas confier ta souveraineté, ta sécurité à un autre pays, soit, soit-il un pays, une puissance. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le deuxième aspect, l'aspect économique. On est étouffé économiquement. Notre argent est bloqué là-bas. Alors, vous savez combien pour un coup d'État a fait un terme. Qui en souffre Ce n'est pas nous. Ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas les Burkinabés qui en souffrent. Comment quelqu'un peut penser que c'est comme ça qu'on va contenir les gens à ramener quelqu'un qu'on a dégagé. Et parce que quand les gens manifestent, c'est pour dire qu'ils n'aiment pas. Ils sont contents que le monsieur là soit dégagé du pouvoir. Alors comment quelqu'un peut penser que c'est lui qui décide du bonheur de population d'un pays où il ne vit pas, est-ce que ça c'est normal ça, il faut formaliser. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose. On est dans la bonne trajectoire. La bonne trajectoire qui va faire en sorte qu'on crée notre propre monnaie. Maintenant, il y a d'autres pays qui vont certainement suivre. Et c'est ça la clé de l'indépendance. Quand on a notre propre monnaie, quelqu'un ne va plus nous poser des sanctions ou ceci, cela. On va se développer, on va définir nos propres politiques publiques. Ce n'est pas à quelqu'un, parce qu'à cause de ces aides minables, qu'il donne, il va penser qu'il va imposer aux gens comment ils doivent faire l'éducation, comment ils doivent faire la... C'est ça qu'on a vécu pendant plus de 60 ans. Est-ce qu'on doit continuer dedans C'est un bon déclic, le coup d'État qui se sont déroulés dans nos pays. Moi, je suis un démocrate. Mais s'il faut mettre de l'ordre pour revenir à un la démocrate qui soutient les coups d'État, qui soutient les militaires mais, au pouvoir. Mais attends, mais quand la démocratie même, c'est un vol. Quand le, quand, quand le monsieur qui est au pouvoir, là, il sait qu'il a volé être au pouvoir. Alors où est la démocratie Parce que la démocratie suppose la transparence. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, a dans une ordonnance en date du 25 novembre 2023 abrogé la loi 2015-036 euh, du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants au Niger. Euh, pour rappel, la loi 2015-036 euh, criminalisait euh, toutes les activités liées à la migration et frappait durement les personnes qui s'adonnent au trafic des migrants. L'article 2 de l'ordonnance qui a abrogé cette loi stipule que les condamnations prononcées en application de la dite loi ainsi que leurs effets sont effacés. Ainsi, l'article de cette ordonnance indique qu'aucune réclamation de quelque nature que ce soit sur la base de cette ordonnance n'est recevable l'ordonnance stipule que euh, les condamnations et leurs effets prononcés en application de la loi abrogée sont effacés à compter du 26 mai 2015. Qu'est-ce que cela sous-attend Qu'est-ce que cela veut dire concrètement au fond euh, Ça veut dire que normalement, ça veut dire que c'est annulé. Euh, j'ai échangé avec beaucoup de, personnes. C'est-à-dire, en plus même du fait que c'est plus qu'une abrogation. Euh, une abrogation, c'est à compter de la date. Euh, ah, avec effet euh, effet Non, une annulation, c'est normalement avec effet rétroactif. Autrement dit, des personnes qui ont été condamnées, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, systématiquement, sont, ils doivent, être, doivent être libérés. Maintenant, là, euh, j'ai vu le gouvernement a pris les précautions pour dire que avant leur libération, ça doit être signifié au ministère de la Justice qui doit <coughs> regarder bien si ces personnes-là ont été arrêtées dans ce cadre. Mais aussi beaucoup de biens ont été confisqués. Beaucoup de voitures ont été... dont certains ont été euh, aux malheureusement. Et ça, je ne sais pas comment les dispositions... Bon, ils ont dit qu'aucune réclamation n'est possible. tout ça, donc, bon, ce qui est perdu est, déjà perdu. Est déjà perdu, certainement, quoi. Mais toujours est-il que c'est une lutte, je crois que qui a uni les Nigériens. À part. Euh, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose euh, Moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je me suis battu pour que cette vous, loi vous êtes acteur de la migration. je suis acteur de la migration. Je suis vraiment avec les migrants. Je me crois défenseur des droits des migrants, des personnes en déplacement. Et donc, je pense que je suis défenseur de euh, de, pour, euh, la le déplacement, euh, de, voilà, la mobilité des personnes. Et donc, c'est de, de cela qu'il s'agit. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. même celui qui condamne le coup d'État, même aujourd'hui, je crois que au moins c'est un effet positif qui vient de se, de se réaliser. maintenant, quelle que soit la raison pour laquelle le CNSP l'a fait, euh, je suppose que c'est parce que d'abord la population d'Agadez, vous avez vu, y compris leur conseil régional, tout le monde s'en félicite. Les jeunes à Agadez s'en félicitent. On a eu à discuter ici même que c'est plus de 60 milliards par an que la population d'Agadez estime perdre parce que à cause de cette, loi. cause de cette loi là. Aujourd'hui, euh, ils sont tous prêts à reprendre la route parce que ce n'est pas autre chose que nous faisons. À l'époque, pour plaire en réalité à l'Union européenne, n'est-ce pas, les autorités de l'époque ont accusé euh, et ceux qui transportent les migrants et les migrants que non, quand les gens vont en Libye, ils reviennent avec des armes. Quand ils vont, ils reviennent ou ils amènent de la drogue. S'il y a eu un amalgame, vraiment une sorte d'amalgame indescriptible pour juste vraiment interdire. Parce que la frontière de l'Europe doit être maintenant à Agadez. Parce que c'est une loi que les autres Nigériens, en fait, ne sont euh, qui, n'affecte pas les autres Nigériens, qui ne touche pas à une autre région en réalité que la région d'Agadez. Et aujourd'hui, si cette loi-là est carrément annulée ou abrogée, ça dépend. Je pense que ce n'est qu'une très bonne chose. Maintenant, maintenant comment l'Union européenne va prendre Parce que c'est aussi à. Euh, c'est la monnaie que le CNSP vient un peu de rendre quand même à l'Union européenne, qui a aggravé les mesures prises contre les autorités nigériennes, n'est-ce pas Alors que c'est le Niger qui constituait jusque-là leur gendarme. Maintenant, les migrants vont partir. C'est vrai que encore le filtre libyen et le filtre algérien sont encore euh, là, mais je crois que ça va donner beaucoup plus de fil à, de, retordre et aux autorités algériennes et aux autorités euh, libyennes et donc tunisiennes, ce qui fait que à malin, malin et demi, j'espère que c'est un aspect qui va beaucoup choquer. Est-ce que l'Union européenne va revenir à des meilleurs sentiments ou bien des pays comme l'Italie qui, sont, qui étaient quand même restés, qui ne sont pas trop dans l'engagement de la France et de l'Union européenne. Est-ce que eux, parce que c'est eux qui sont concernés par la migration, euh, c'est parce que c'est chez eux d'abord que les migrants qui traversent la Méditerranée échouent. Est-ce qu'ils vont voir ou bien ils vont faire pression sur l'Union européenne Il y a beaucoup d'aspects. Bien sûr, c'est une décision vraiment qui, est, qui touche qui fait l'actualité actuellement en, Europe, qui a été président. Hein. Mm, mm. merci beaucoup, Abachar Arimi Ousseini Sajibo. Le CNSP a donc décidé euh, de l'abroger en raison de tous les effets néfastes et de son caractère attentatoire aux libertés publiques euh, selon les termes du communiqué du CNSP. Comment expliquer cette position du CNSP Mais c'est une position tout à fait naturelle. Tu me gifles, tu m'étends la joue. Mais moi, j'ai aussi des mains solides. Pourquoi je ne vais pas rendre le coup Nous avons été. Parce que... C'est une façon de rendre le coup. Ah, mais alors, dans Pogdan. Comme ça, vous, vous êtes. La loi du talion Oui, oui. Mais, mais alors, vous vous levez comme ça un bon matin, quatre mois après le coup d'État, vous vous réunissez, Macron vient vous dire ah, il faut aussi, au niveau de l'Union européenne, non content d'avoir gelé tous vos financements, quatre mois après, vous revenez un truc à Strasbourg, euh, Parlement européen, vous décidez, voilà la feuille de route sanction contre machin, il faut que l'Union européenne. Alors, ils ont oublié qu'il y avait ces accords-là entre nous, et c'est des accords qui n'ont pas été de manière officielle. Mais ça, ça passait quand même à, l'Assemblée nationale. non, mais non, ah, comment ça Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées véritablement à l'Assemblée nationale. C'est au sommet, au sommet à la conférence, la Valette ou comment on appelle ça. Ils sont partis, on ne sait pas, ils ont pris de l'argent. Ils ont dit. Vous n'avez aucune preuve au euh, CNI, ah, euh, ah, ah, Merci beaucoup, Abouchad Arimi. Allez-y, allez quand tu ne me laisses pas parler, comment tu veux que je. Allez-y, allez-y. Mais je n'ai pas les preuves. Mais le débat a été posé à l'époque. Ils ont décidé de faire de nous une frontière avancée. Comment, euh, comment on l'appelle Arimi J'espère que c'est. Frontière. On a délocalisé. C'est ici que les choses se passent. Depuis depuis l'installation, vous avez vu ce qui s'est passé. L'activité euh, dans la région d'Agadez, pas que Agadez, y compris même Zender. Parce qu'il y a des départs à partir de Zender. Ça faisait vivre des gens. On est venu un beau matin, on dit arrêtez. Imaginez tous ceux-là qui vivent autour de cette activité. Et c'est une activité lucrative. Et c'était une activité régulière. Parce qu'il fallait passer par les postes de police, de gendarmerie, de contrôle et tout et tout. Un beau matin, on dit tout ça c'est fini. Allez vous débrouiller, on va vous donner 150 000 par machin. Mettez-vous en groupe de 4, 5, on va vous monter, pour monter un projet, on vous donne 150 000. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller prendre un seul voyage à l'air et tout, il, peut 1 million 500 000, il peut revenir, on va lui du jour au lendemain arrêter. Alors, le CNSP, c'est tout à fait normal parce que la région, ça fait partie des activités qui font prospérer l'économie de la région d'Agadez, y compris de Zinder. Alors que quelqu'un vienne se mettre, parce que tout simplement, vous êtes allé, vous avez considéré que vous allez vous, comment ça s'appelle, de connivence avec les, ceux qui vont. Généralement, les Nigériens, peut-être quand ils vont, ils s'arrêtent en Libye, ils s'arrêtent en Algérie. C'est les autres qui viennent. Regardez, quelqu'un qui quitte le Congo. Le Congo, quelqu'un qui quitte le Cameroun. Il traverse tous ces pays. Il vient, il franchit tous les territoires, il arrive. Jusqu'à Agadez, on, non, non, non. Et on prend ceux qui font des petites activités, la restauration, tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a, ils ont perdu pendant combien d'années Parce que tout simplement, il fallait faire plaisir à des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Parce que c'est un manque de reconnaissance et ils ont oublié cet aspect-là. Alors, quand tu me poses un acte méchant, mais moi aussi, je vais te montrer que je suis méchant. Laisse-moi finir. Rapidement, rapidement. C'est la méchanceté, non Mais on y va dedans. Aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont désemparés. Ils sont désemparés parce que pour eux, maintenant, comment on va faire Parce que vous savez, cette affaire, le Mali a, refusé. Il y a des pays qui ont refusé. ça ça se passe. C'est nous seulement qui avions accepté que la frontière délocalisée de l'Europe soit implantée chez nous. Alors, que le Niger a ratifié euh, quand même la libre circulation, de la Mais ça veut dire que les gens ne respectent rien. Les gens, c'est leur intérêt. Il y a eu de l'argent qui est donné, c'est sûr. Et on a donné de l'argent. C'est passé où Merci. Qu'on nous, nous dise, où est-ce que l'argent là est passé. merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Ce n'est pas des cailloux. Hein. Merci, merci beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Diado, cette loi qui érige et incrimine en trafic illicite certaines activités par nature régulière avait été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères. Nissa a eu à le dire Abba Arimi a eu à le dire, affirmant le communiqué du CNSP. En outre, elle était en contradiction flagrante avec nos règles communautaires et ne prenait pas en compte les intérêts du Niger et de ses concitoyens, poursuit le communiqué. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par la population à Agadez et même par les autres acteurs de la migration oui, euh, Mokhtar, euh, d'abord il faut souligner que cette loi-là, en 2015, quand ils ont voulu euh, voter la loi-là, ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit autour des acteurs de la migration, autour des populations, autour de tous les Nigériens, en tout cas conscients de la difficulté une fois cette loi votée. Et bon, aujourd'hui, on se retrouve avec cette loi qui vient d'être abrogée. Mais quand tu regardes Agadez, il faut e-, essayer de voir ici aussi à Niamey. C'est un ouf de soulagement pour tous les Nigériens conscients que la migration ne peut pas empêcher aujourd'hui à quelqu'un de migrer pour aller vers d'autres horizons. Et comme tu l'as dit, c'était contraire. Parce que puisque déjà la le, communiqué du CNSP qui, l'a dit. Puisque déjà la CDAO, c'est pour euh, faciliter la libre circulation des personnes, et, de leurs biens. Donc, et qu'on revienne pour dire qu'il y a une loi qui empêche à ces peuples africains. À des ressortissants, la De, la CDAO de se retrouver, par exemple, quand je quitte ici, je dois quand même me retrouver dans un pays de la CDAO, parce que tout simplement, je veux aller chercher mon gagne-pain. Je veux aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, c'était bien euh, accueilli en tout cas à Gades, puisque euh, j'ai eu à discuter avec euh, des populations, des, ressortissants donc d'Agadez, et il fallait être là-bas en tout cas pour voir comment est-ce que ces populations ont, accueilli ça avec joie. Et maintenant, peut-être ce qu'il faut noter, c'est qu'il peut, le CNSP a abrogé, c'est vrai, mais ils vont certainement prendre des mesures mesures pour pouvoir pour mieux organiser le secteur. organiser le secteur. C'est ça en fait, mieux organiser le secteur et mieux protéger ces migrants qui vont s'aventurer dans le désert surtout. C'est très important aussi. Euh, euh, rapidement, on est, juste un mot le concernant le dernier aspect provoqué, euh, évoqué par Mouna. En fait, les gens, tellement cette loi-là a contribué à la restriction des droits d'aller et de revenir, et de venir, qu'aujourd'hui, on pense que cette loi n'est pas là et il y a un vide qui est là. En réalité, il n'y a aucun vide parce que nous avons déjà des lois, par exemple celle de la communauté, de la CDAO, qui sont là et qui vraiment encadre c'est aller et venu là. On dit que la personne doit venir avec ses, pièces d'identité, ne doit pas, doit obéir aux règles du pays, et ainsi de suite et tout. Donc il n'y a aucun vide, à mon avis, qui est créé et il ne faut même pas essayer de fomenter quelque chose qui va aller encore à l'encontre des droits d'aller. Merci beaucoup, Abou Rapidement. Rapidement, ce que je veux dire. Tout ce flux-là, ce mouvement de population africaine subsaharienne-là, qu'est-ce qui a amené C'est la pauvreté. On installe les pays dans la pauvreté, les Occidentaux. Et ils décident que, non, vous êtes dans la pauvreté, restez mourir dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui se passe Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Le ministre de l'Énergie, Maman Mustafa Barke, a procédé le samedi 25 euh, novembre au lancement officiel de la mise en exploitation de la centrale photovoltaïque de Gorubanda de Niamey. Euh, construite sur une superficie de 27 hectares, cette centrale est d'une capacité de 30 MW. Elle compte 55 euh, 776 euh, pinceaux solaires euh, de 540 watts chacun. 70 000 abonnés de la Nigélec, la Nigérienne de l'électricité de la région de Niamey seront alimentés en électricité grâce à cette centrale, rapporte le quotidien gouvernemental Le Sahel. Hussein Sajibo, rapidement. La mise en service de cette nouvelle centrale solaire intervient dans un contexte où le pays est confronté à une une baisse de son approvisionnement en électricité qui provient en grande partie du Nigeria à la suite des sanctions de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en réponse au coup d'État du 26 juillet. Que peut-on savoir au sujet de cette nouvelle centrale photovoltaïque Ce qu'on peut savoir de cette centrale, d'abord, n'est-ce pas L'inauguration devait intervenir au mois d'août. Le 25 août. N'est-ce pas à cause du coup d'État, la société française a appelé ces clics et ces clacs qui sont partis en se disant qu'il faut aussi pénaliser ici parce que le Niger a déjà coupé. C'était ça, non Ça montre que on peut atteindre l'autonomie sur le plan énergétique grâce au salaire et au, solaire, n'est-ce pas Ça fait 30 mégawatts. Ça comble, comment dire, le déficit avec le Niger d'au moins 30%, c'est 40 40%. 40 environ 40%. Ça, c'est juste 30 mégawatts. Imagine 20 milliards. Imagine pour un État. Combien de centrales de cette nature-là on peut créer dans toutes les régions de ce pays-là Avec un peu de bonne volonté, c'est quoi 20 milliards pour un État Absolument rien du tout. Ça montre tout à l'heure, j'insiste sur les politiques publiques. Parce que les, nos politiques publiques sont décidées par les Occidentaux on a l'indépendance énergétique, on peut développer l'industrie. Il y, a aussi la, mauvaise, gouvernance. Non, mais c'est toute la mauvaise gouvernance. Parce que quand, quand tu as. la mauvaise gouvernance, c'est quoi Je viens au pouvoir par, des mécanismes qui ne sont pas honnêtes, sincères et tout. Et Je viens m'enrichir. C'est ça la mauvaise gouvernance. Je vole l'argent public. Les politiques qui doivent être mises en œuvre, je ne les mets pas en œuvre. Je fais autre chose. C'est que le blanc l'autre m'a dicté que voilà ce qu'il faut faire ça montre tout simplement, quand la société française est partie, l'Angélec et la société nigérienne qui sont restés sur le chantier, ils ont continué le travail. Ça montre que nous avons la technicité nécessaire pour pouvoir monter ce genre de choses sans avoir eu recours à, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Moi, j'ai dit, ça doit inspirer, y compris ceux qui vont venir après. Ça dit qu'avec 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, on peut facilement c'est quoi 20 milliards pour des individus, des individus volent 20 milliards, des opérateurs économiques volent 20 milliards. Et puis on, les laisse. Les... Il faut que les gens s'inspirent de ça, qu'on soit dépendant, indépendant sur le plan énergétique. C'est comme sur le plan alimentaire aussi. On peut être véritablement indépendant. Mais c'est la volonté qui manque à travers les politiques publiques qui sont dictées de l'extérieur on force tout. Merci beaucoup. Il faut maintenir les gens. Non, c'est important. Il faut que ça soit et comment ça s'appelle ancré dans les têtes pour que c'est dire que imaginez s'il n'y avait pas eu cette histoire là on, serait toujours dans ces ça améliorerait nettement euh, la situation de délestage qu'on a connue Merci beaucoup, Seyni Sajibo. Memouna Diado, depuis quatre mois, la capitale Niamey et certaines localités à l'intérieur du pays subissent d'importants délestages d'électricité depuis que le Nigeria a arrêté de fournir au Niger son électricité. Comment faire pour rompre définitivement avec la dépendance du Niger sur le plan énergétique comment faire pour un procès de mettre les moyens pour qu'on puisse. Comme avoir, Hussein a, eu à, a le dire. Et également s'atteler à, la mise à, la mise à la disponibilité du peuple nigérien euh, Gorubanda. Euh, pas Gorubanda, mais euh, la centrale solaire. Gorubanda et il y a également le barrage Barrage de Kandaji. Donc je pense qu'il faut investir puisque les Nigériens, les populations sont en train de cotiser. Et normalement, quand on cotise, c'est pour pouvoir aspirer à, un changement. à un changement, une vie meilleure. Donc, on peut être indépendant en électricité. Il n'y a rien à faire. Et c'est parce que tout simplement, euh, on, a, on s'est laissé guider par une main extérieure qui nous guide ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et parce qu'ils savent que quand on serait indépendant, énergétiquement, on n'aura pas de problème, puisqu'on pourrait créer des entreprises. Aujourd'hui, créer eh, les conditions pour que l'électricité ne manque pas jusque dans nos villages. Donc, il fallait faire en sorte que nous ne puissions pas aller vers le solaire et essayer de dépendre donc de, l'électricité par le Nigeria. Mais aujourd'hui, Dieu merci, mais merci donc au Nigeria. c'est un ouf de, soulagement le, Nigeria, a le Nigeria a permis que nos autorités actuelles ouvrent les yeux, que les Nigériens ouvrent les yeux pour savoir qu'on peut bénéficier de beaucoup de choses avec seulement 20 millions. 20 milliards. 20 milliards autant pour Merci beaucoup, Mme Diado. Abachari euh, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par la Nigelec, seul fournisseur euh, du pays, selon le rapport euh, de 2002 de la Nigelec elle-même. quelle solution vous, vous préconisez Il y a tellement à dire sur cette question, mais une chose qu'il faut retenir, c'est qu'au moins, à quelque chose, malheur est bon. Tout à l'heure, on avait dit que le CNSP avait abrogé la loi sur la migration, c'est une bonne chose. Une autre bonne chose, c'est que cela soit arrivé et qu'il nous mette devant nos responsabilités en tant que Nigériens. Parce que s'il n'y a pas eu cela, si le Nigérien n'a pas coupé, on serait encore dépendant de l'électricité du Nigeria. Bien sûr, on remercie le Nigeria pour avoir tenu 60 ans, machin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous les dirigeants qui se sont succédés, parce que tout nous est dicté de l'extérieur, n'ont pas été visionnaires en la matière. Ça ne coûte vraiment pas les yeux de la tête. Gorubanda a, a coûté 80 milliards. Autrement la centrale diesel. Bien, oui, l'éléphant blanc. Mm. Ok. Ah, c'est l'éléphant blanc. C'est Alors, la centrale euh, solaire. a coûté 20 milliards. Autrement dit, notre Gorubanda qu'on est allé acheter je ne sais où, parce qu'il paraît que le bateau qui transportait s'est promené dans la mer, personne ne voulait prendre, et nous on a pris. Et aujourd'hui, 20 milliards suffisent pour nous produire 20 mégawatts. 30 mégawatts. Autrement dit, avec Gorubanda, on aurait pu acheter 4 fois la même chose n'est-ce pas Mais c'est dans le lot des dirigeants nigériens qui n'ont pas été visionnaires. Seulement les dirigeants nigériens qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui ont eu, ils ont été au moins visionnaires en une chose, c'est qu'ils n'ont pas privatisé la, J'espère que personne ne le fera et qu'on aura d'ici quelque temps, parce que apparemment la piste la meilleure qui est bien trouvée, c'est le solaire, parce que 20 30 mégawatts, peut suffire une ville comme, comme Zender, comme Agadez, comme Tawa, et sans compter tous les chefs-lieux d'arrondissement euh, des départements aujourd'hui. Et des chefs-lieux de communes. De ça peut les suffire. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'État de Niger de faire un plan pour dire que chaque année, je vais en faire pour un même pour une seule commune. Comme, la fête tournante. comme la fête tournante. C'est en cela même qu'il faut valoriser la fête tournante, pas en matière de, de l'argent jeté par la fenêtre. Non, il y, a eu des infrastructures qui ont été construites, qui ont été réalisées. Autrement dit, même Kandaji, autrement dit, on peut mettre Kandaji à 100% même à la production du riz, parce qu'on a compris aussi avec cette crise que c'est ce qui nous manque le plus. La souveraineté alimentaire. voilà. Et donc, vraiment, les crises les, historiens disent que c'est le besoin qui crée. Un peuple qui a besoin et qui est résiliente, à défaut de se disperser, va toujours finir par trouver des solutions. Et je crois qu'il y a des solutions pour notre. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Hussein journaliste indépendant, et Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à et dimanche, celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Mustafa Ayuba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.